Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État, Macky Sall, a réceptionné le musée international dédié au prophète Mohamed, un chef-d'œuvre gigantesque qui met en avant les enseignements de l'islam. La réalisation de ce musée vient renforcer les relations amicales entre le Sénégal et l'Arabie saoudite. Et salut sur lui et la civilisation islamique troisième du genre après ceux de Médine et Rabat. Ce musée est érigé par le Royaume d'Arabie saoudite en réponse à la demande du président de la République, Macky Sall. Je suis honoré euh, de, venir ici au Sénégal pour assister à cette cérémonie grandiose de la réception de la musée du professeur Sall et qui a euh, œuvré pour la création de ce musée qui donne une ampleur très importante euh, aux musulmans au Sénégal. L'exposition met en lumière des événements historiques et des scènes inoubliables comme les maquettes approximatives de la Mecque et de Médine au temps du prophète, ainsi qu'une simulation de l'itinéraire du prophète lors de son émigration. Le président Macky Sall se réjouit de l'importance de ce projet qu'il a suivi du début à la fin. Je voudrais, en cet instant précis, exprimer ma gratitude aux serviteurs des deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz, au prince héritier, Premier ministre du Royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse euh, Mohamed Ben Salman, Saluer également le docteur Mohamed Ben Abdul Karim Al-Issa, qui est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, et remercier l'ambassadeur de l'Arabie saoudite au Sénégal, ainsi que les envoyés du docteur Al-Issa, qui sont venus, malgré les rigueurs du ramadan, procéder à la réception des travaux du musée du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai eu l'honneur de visiter le musée, le premier musée qui a été fait à Medinatul Munawara. Et au sortir de cette visite, j'avais exprimé le souhait à la Ligue islamique mondiale, si cette œuvre devait sortir de l'Arabie saoudite, que le Sénégal soit l'un des tout premiers pays. Et cela a été fait. Je voudrais donc vous exprimer au nom du peuple sénégalais ma gratitude pour cette œuvre gigantesque sur la vie du prophète Mohamed Mais le chef de l'État trouve sur place des start-up déjà en activité, preuve de l'attractivité de ce projet. Avec plusieurs plateformes, des jeunes mettent en relief leur savoir-faire dans divers domaines, à l'image de Abdoufal. Dakar, j'avais rien ce que passe 39 ans, ce jeune parti de rien est aujourd'hui à la tête d'une structure qui marche bien. Marchand ambulant, tablier, chauffeur de d'eau, il finit plus tard par créer son entreprise. Et 12 500, moi, c'est mon fonds de départ. Avec ces 12 500, Monsieur le Président, je suis venu à Sabine, maison de Lamine Gueye, de Très endurant, ce jeune est un exemple de courage, d'abnégation et de persévérance. Le parc de technologie numérique devenu Sénégal Connect Park est bâti sur 25 hectares grâce à la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc, une expertise déterminante dans la réalisation et l'accompagnement. Nous avons euh, mis un investissement assez conséquent pour euh, construire une infrastructure numérique qui pourra accueillir non seulement des start-up, mais également des entreprises du numérique dans les meilleurs euh, standards. Ce que j'ai vu ici me réconforte et me réjouit sur la conception qui a été faite à l'origine. Et surtout, nous avons là un écosystème qui permettra, avec également l'apport de professionnels euh, venus du Maroc, qui ont déjà fait leur preuve dans le développement des parcs numériques, pour trouver les entreprises et susciter la recherche-développement qui aura également un autre volet dans ce parc euh, de technologie numérique qu'on appelle Sénégal Connect, et j'ai été marqué ce matin par euh, le volontarisme des jeunes Sénégalais qui sont dans des start-up, que ce soit en matière de robotique ou bien dans le développement de facilités pour l'agriculture, pour la santé, les e-santé, et pour l'imprimerie euh, industrielle montre qu'il y a des perspectives extrêmement importantes en matière d'emploi, en matière d'innovation. Et je pense que ce centre fera parler de lui. La promotion de la croissance inclusive au Sénégal à travers le développement du numérique, c'est l'un des objectifs de ce parc de technologie numérique. Sénégal Connect Park, bientôt achevé, permettra au Sénégal de rayonner dans ce domaine. Le président de la République a également visité le vaccinopole de Diamniadio, un important projet de l'Institut Pasteur de Dakar qui vient couronner un processus engagé depuis presque dix ans. L'objectif est d'assurer la souveraineté vaccinale en Afrique. L'IPD s'est surtout félicité du soutien constant du président Macky Sall pour relever un défi continental à La question de la souveraineté vaccinale, plus que jamais d'actualité notamment en Afrique depuis l'avènement de la COVID-19 et le difficile approvisionnement en vaccins. Et c'est dans ce sens que l'Institut Pasteur de Dakar a initié cet important projet de production de vaccins pour fournir le continent en produits abordables et permettre un meilleur accès. Sans vous, ce vaccinopole n'existerait pas. Et pour l'étayer, en 2014, vous avez décidé en 14 février, la date est importante parce que vous parlez souvent que vous avez le Sénégal au cœur. Et donc vous nous avez fait un premier cadeau du terrain qu'il y a à côté. Voilà, avec l'instruction d'en faire un vaccinopole, à savoir ne pas faire juste que des vaccins, mais de faire de la recherche, de la formation. Et donc ensuite, dans le cas de la COVID, vous nous avez attribué une deuxième partie de terrain et donner des instructions qui nous ont permis de mobiliser plus de 220 millions de dollars. Vous ne nous êtes pas arrêtés là-bas, vous nous avez aussi accompagnés dans plusieurs déplacements qui nous ont permis, grâce à votre d'obtenir des partenariats avec BioNTech, avec Universel. Et vous êtes vous-même déplacé pour aller voir BioNTech. Tout ça a eu une importance capitale. Et c'est pour ça, au nom de l'Institut Pasteur, au nom aussi de tout le peuple sénégalais. Ça, c'est pour les générations futures. C'est pour ça qu'on a tenu quand même à vous donner ce petit souvenir qui exprime ma gratitude, celle passée et celle du Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En 2014, nous avions un seul bâtiment à Diamniadio. C'était le centre de conférence internationale Abdou Diouf. Et nous avions voulu que l'Institut Pasteur de Dakar puisse disposer d'espace pour sa recherche, développement, mais également pour la production. Et la Covid est intervenue bien plus tard, en 2020. Et la production, dès 1937, d'un vaccin faisant de cet institut l'un des quatre producteurs mondiaux certifiés par l'OMS. L'Institut Pasteur de Dakar produit des vaccins anti-amaril, donc contre la fièvre jaune, depuis 1937. Et l'IPD continue à en produire. Mais avec ce site Africa Amaril, cette capacité sera multipliée par 6. Vous allez quasiment passer de 5 millions de doses à 30 millions de doses. Mais vous ne vous êtes pas arrêté sur le projet Africa Amaril. On a eu le projet Madiba, la manufacture de production de vaccins qui pourra produire un certain nombre de vaccins, euh, y compris celui contre la Covid, mais aussi les vaccins contre la rougeole, contre euh, la rubéole et d'autres vaccins. Recherche, développement, formation et production, une anticipation pour mieux se préparer aux épidémies et améliorer la chaîne d'approvisionnement en produits essentiels pour la vaccination systématique. DAVAX, qui est ensemble de, R&D, va nous permettre d'atteindre les 14 vaccins qui sont dans le PEV actuel. Voilà, travailler également sur les euh, maladies négligées, comme la fièvre du, du Lassa, la, euh, fièvre de la volée du Rift, euh, et ce qui permettra également en termes de développement R&D d'avoir les capacités s'il y a une nouvelle Covid qui arrive, qu'on soit en capacité, comme on a pu le faire au niveau de la COVID, quasiment en neuf mois de créer un nouveau vaccin, qu'on ait cette capacité-là en, en, Afrique. L'ambition avec ce bâtiment qui va venir, d'AVAX, euh, vous pourrez, avec la recherche et développement, poursuivre la gamme de vaccins pour couvrir finalement l'ensemble du programme élargi de vaccination, aujourd'hui qui est riche de 14 5% de la valeur du camion. Il s'agit de 20 camions frigorifiques de 3,5 tonnes, 30 de 5 tonnes et 5 autres de 11,5 tonnes. À travers l'Association nationale des marieurs du Sénégal à Nams, la Fédération des femmes marieuses et la Fédération nationale des femmes transformatrices du Sénégal, les différents acteurs du secteur de la pêche et de l'économie maritime ont tous salué les efforts consentis par le président Macky Sall à leur égard. Un élan unitaire pour manifester leur satisfaction et formuler des prières à l'endroit du chef de l'État qui a toujours été à leur écoute. Et voilà pour les activités du chef de l'État Macky Sall. La mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC, conduite par l'ex-ministre Mbaya Bonaventure, a déployé des observateurs internationaux au Sénégal pour rendre compte du déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Depuis leur arrivée, les observateurs font état d'un climat apaisé et d'un bon déroulement de la campagne électorale. Leur porte-parole s'exprime au micro de Nekoumbendiaïa. Euh, depuis euh, le 15 mars, nous sommes arrivés au Sénégal. Et franchement, nous sommes assez satisfaits parce que, compte tenu des petits reports et autres, les gens pensaient que ça pouvait déboucher à un trouble quelconque. Mais, euh, comme toujours, la culture démocratique a prôné sur le peuple sénégalais. Ils sont déjà un peuple assez mature. Ils ont su gérer leur situation de manière interne. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir une campagne qui se passe en toute sérénité et surtout euh, dans l'ordre et la discipline. Et je pense que c'est tout ce qu'un bon Africain peut souhaiter à un État africain. C'est ce qui se passe ici actuellement au Sénégal. Nous pensons que tout se passe très très bien, d'ailleurs même plus que bien, parce que même euh, dans la campagne électorale, ça se sent très civilisé. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas des, propos parfois malveillants. Nous pensons même qu'il euh, il y a un civisme encore qui s'est ajouté dans cette campagne électorale ici. Et comme le Sénégal a toujours surpris le monde, le euh, Sénégal vient encore une fois de plus de surprendre très positivement. Et je pense que c'est un exemple que le continent africain doit suivre. Le scrutin présidentiel du dimanche 24 mars se prépare donc et focus à présent sur la Commission électorale nationale autonome Sénat, créée en 2005 par la loi numéro 2005-7 du 11 mai 2005. Elle supervise et contrôle l'ensemble des opérations électorales et référendaires pour la présidentielle 2024. Tout est fin prêt pour une bonne tenue de l'élection, nous dit Fidèle à sa tradition de contrôle et de supervision des opérations électorales, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, a une fois de plus tout mis en œuvre pour une bonne organisation de l'élection présidentielle. Elle a mis en place un important dispositif pour s'assurer que les résultats qui seront proclamés soient conformes à l'expression majoritaire des citoyens. Il y a un contrôleur de la Sénat dans chaque bureau de vote. Il y a au moins un superviseur, au moins un superviseur de la Sénat dans chaque lieu de vote. Et ces contrôleurs de la Sénat font remonter en temps réel leur copie du procès verbal des résultats de chaque bureau de vote. Par un dispositif informatisé, il y a une plateforme dédiée à cet exercice. Et donc la Sénat euh, en temps réel dispose de l'ensemble, à l'issue du scrutin, de l'ensemble des résultats de tous les bureaux de vote au Sénégal et à l'étranger. Euh, par ailleurs, dans chaque département au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle une SEDA, qui est une délégation de la SEDA au niveau départemental. La SEDA, c'est la Commission électorale départemental autonome. Malgré le nombre élevé de candidats, la Sénat a pris les mesures nécessaires pour parer à toute éventualité. Nous avons 19 candidats, donc l'électeur mettra un peu plus de temps pour faire son choix et pour voter. Même si par ailleurs, sur proposition de la Sénat, proposition qui qui a été traduite dans le code électoral, lorsque nous avons plus de cinq candidats, l'électeur peut ne prendre que cinq bulletins pour opérer son choix. Donc pour améliorer la célérité donc, du déroulement du vote. La campagne électorale prendra fin demain vendredi à minuit. Le dimanche 24 mars, les Sénégalais se rendront aux urnes pour élire leur nouveau président. Et vous l'avez sans doute euh, compris, place à présent au journal des régions. Le Sénégal qui s'apprête à élire un nouveau président ce dimanche 24 décembre 2024 à Tambacounda, les contrôleurs et superviseurs ont été bien outillés par la commission électorale départementale autonome, ceci pour un déroulement sans faille de l'élection présidentielle. reviens. À la CEDA de Tambacounda, l'heure est au dernier réglage. Dans cette salle de conférence, tous les documents dont auront besoin les contrôleurs et les superviseurs sont déjà disponibles. Ces registres seront acheminés dans les 358 bureaux de vote que compte le département de Tambacounda. Euh, ici, c'est la salle de tri. Nous avons rangé les registres d'émergement et les documents pour les superviseurs et les contrôleurs. Donc, euh, ici, c'est la commune de Tamba. Donc, il y a les pochettes qui sont déjà faites pour les contrôleurs et les superviseurs. Donc, euh, là, c'est les autres communes qui sont là. Les documents sont aussi rangés. Donc, au niveau des cartons, ce sont les circuits. Donc, dans chaque circuit, on range tous les documents des superviseurs et contrôleurs qui doivent emprunter ce circuit. Donc les circuits qui doivent aller sur, euh, sur Maka et Kusana sont déjà sur place. Cette année, pour s'adapter au contexte, l'électeur n'a pas l'obligation de prendre tous les bulletins pour voter. Nous avons effectué la formation des superviseurs et des contrôleurs. C'était pour les outiller à mieux préparer le rôle de contrôle et de supervision au niveau des lieux de vote et des bureaux de vote. Nous leur avons dit aussi, face aux 19 candidats, il faudra juste prendre au minimum 5 bulletins que les, électeurs sont autorisés à prendre au minimum 5 bulletins pour aller voter. Oui, vous savez, il faut s'adapter par rapport aux réalités. Donc, le bureau doit ouvrir à 8 heures, pas avant, peut-être après, mais pas avant 8 heures. Donc on ne peut pas prendre le red pour venir. Tu peux prendre le khede pour venir attendre, pour ne pas euh, euh, être trop en arrière. Donc pour pouvoir voter vite. Mais quand on vient, que les gens se respectent et se suivent un par un. Et à 8 heures, quand on ouvre, que chacun passe un par un et voter et rentrer chez soi. Ici, à la préfecture de Tamba, plus de 1000 cartes d'électeurs sont en souffrance. Force de l'ordre et sous la supervision de l'autorité administrative, on procède à toutes les vérifications nécessaires. Le matériel est arrivé et nous avons déjà conditionné. Vous nous avez trouvé en pleine vérification avec les forces de défense et de sécurité pour que le déploiement soit assez facile, pour qu'il n'y ait pas de vérification sur le terrain. Bulletin des candidats, enveloppe, urne, encre indélébile et isoloir, tout est contrôlé avant d'être scellés. Les 350 bureaux répartis dans 119 lieux de vote seront tous servis. Le samedi matin, puisqu'on est dans la commune de Matam et de Wurosogi, qui ne sont pas loin, on peut déposer très rapidement le matériel électoral. Alors pour mes arrondissements, euh, les sous-préfets ont pris les dispositions à quelques heures du scrutin, des cartes d'électeurs sont encore en souffrance dans ces locaux. 9263 ont été distribuées et il nous reste aujourd'hui 4 euh, 4400 cartes à retirer. Tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de l'élection à Matam. Les membres des bureaux ont été sélectionnés et ils ont bénéficié des formations pour mener à bien leur mission. Reportage sur les préparatifs du scrutin de ce dimanche à suivre dans nos prochaines éditions. Ouf de soulagement des populations de Mayenne et environ, et c'est dans le Cayor. Leur poste de santé vient d'être entièrement rénové. En plus de la construction de salles de classe flambant neuves, la commune a bénéficié de l'appui de Opera Life, une association italienne pour un financement de 75 millions de francs CFA. Fatima Tabanelba. Située à 70 km de Tiwawan, dans les profondeurs du Cayor, la commune de Mayenne a longtemps souffert de son enclavement. Ainsi, cette localité s'est confrontée au manque criard d'infrastructures sociales de base. Aujourd'hui, grâce à l'appui et au soutien de l'association italienne Opera Life, les populations de Mayenne vont bénéficier d'un accès et d'une meilleure prise en charge sanitaire à travers leur poste de santé entièrement réhabilité. L'équipement du poste de santé en matériel sanitaire Chaise dentaire, échographie, lit d'accouchement, entre autres, réduit le déplacement des femmes enceintes jusqu'à Méré, Tiwawon, voire même Thiès. Nous magnifions à sa juste valeur cet accompagnement, cette coopération entre la commune et cette association, mais les deux communautés d'Italie et de Sénégal. Tout en saluant cet élan de solidarité de Opéra Life pour ce poste de santé réhabilité, les populations ont exprimé leur souhait de bénéficier d'une ambulance pour les évacuations d'urgence. Chers partenaires, nous tenons à vous solliciter encore davantage une ambulance digne de ce nom, car les malades évacués en souffrent en cours de route. affidato a voi. Notre association milite pour le bien-être des femmes et des enfants. Il n'y a pas mieux pour investir dans la santé et l'éducation. Aux femmes, nous demandons de préserver ces infrastructures grâce à un entretien de qualité de l'école et du poste de santé, qu'elles s'organisent pour essayer de préserver le bien-être de leur famille. Tout c'est tout ce que nous leur demandons. Et l'ONG Opera Life va continuer de les appuyer dans tous les secteurs sommes À côté de la santé, l'éducation constitue également un autre domaine d'intervention pris en compte par les partenaires italiens. Dans cette dynamique de solidarité, des salles de classe ont été construites au profit des élèves et du corps enseignant de L'école élémentaire de c'est une vieille école donc, qui date de 1961. Il y avait des problèmes de salles de classe. J'ai trouvé ici euh, quatre salles de classe. Ensuite, il n'y avait pas de direction il n'y avait pas de table banc aussi. Tous les tables bancs étaient gâtés. Donc euh, aujourd'hui, donc c'est un grand jour de réceptionner, de pouvoir réceptionner ces deux salles de classe, plus une direction, avec aussi la réflexion de trois autres classes. Et ensuite euh, un jardin scolaire avec un mini forage aussi. Dans toute la commune de Mbaye, il n'existe même pas de lycée. Il n'y a qu'un seul Et les élèves qui sont leur BFM ici, ils iront forcément donc à Kelmar ou bien à Pékin. D'ici Kelmar, ça fait 40 km, en même temps que d'ici Pékin, ça fait plus de 40 km. Et en général, les élèves qui n'auront pas d'hébergement là-bas seront obligés d'abdiquer. Vraiment, ça me fait très mal. Et là, donc, je souhaite que le maire érise cette nouvelle scène cette nouvelle carte-là, lycée. Toutes ces réalisations d'un coût global de 75 millions de francs CFA sont rendues possibles grâce à l'entregent de natifs de Mayenne, installés en Italie en collaboration avec leurs amis italiens. Parlons à présent de ce phénomène qui prend de l'ampleur au Sénégal. Il s'agit de la dégradation des terres. Selon des études menées, deux tiers des terres sont affectées et pour y apporter une solution durable, des sessions de formation sont lancées par la direction de l'environnement et des établissements classés. Matam fait partie des zones ciblées. Cette partie du Fouta est grandement touchée, nous dit Ibrahim Pabidjidjou. La dégradation des terres demeure une forte menace au Sénégal et selon des études, plus de la moitié des terres sont affectées. Euh, deux tiers environ des terres euh, du Sénégal sont, sont dégradées ou sont en voie de dégradation. L'origine du phénomène est naturelle et ou humaine, d'où l'intérêt de sensibiliser les acteurs. Les causes humaines, c'est tout ce qu'on appelle mauvaises pratiques, que ce soit des pratiques culturelles, mauvaise exploitation des ressources pastorales, que ce soit des terres forestières également, une mauvaise exploitation donc des ressources en, forêt et des superficies boisées. Tout ceci contribue à donc, ce phénomène de dégradation des terres. À cela s'ajoute le phénomène mondialement reconnu actuellement qui est le changement climatique. Sur le ah, Ses conséquences sur le cheptel, l'agriculture, bref sur l'économie nationale sont incalculables. Cette session de formation initiée par la direction de l'environnement et des établissements classés est donc une réponse à cette situation inquiétante. L'ensemble des acteurs de Matam y ont pris part. Tous ont salué cette démarche inclusive. Parlons sport. Pour finir, athlétisme, les Lions veulent aller chercher le podium en 4 x 400. Ils se sont qualifiés hier en finale, côté saut en longueur. Ahmad Faye vise également le podium. Le médaillé d'argent du triple saut s'est qualifié in extremis hier, malgré une blessure au talon. Reportage de nos envoyés spéciaux à Accra, à Lundiaï et El notre ami. Une bonne journée encore pour l'athlétisme sénégalais puisque les Lions de l'athlétisme vont disputer deux finales. La première, elle est validée en tout cas. Il s'agit du 4 x 400 relais avec euh, l'équipe euh, de Cherstigan Sidibé qui a fait une bonne course. Elle a terminé troisième, mais le ticket pour la finale est déjà en poche. Une belle course bien jouée, bien managée face à de gros adversaires qui ne leur font pas peur. Ça, c'est une qualif. On a deux de nos meilleurs qui n'ont pas couru aujourd'hui on les laisse se reposer pour, qu'il y ait un peu de fraîcheur et tout. Donc euh, on n'a pas, pas, peur de ces, équipes. On peut, les, battre. Bon, comme c'était une course qualificative, chacun avait, avait juste à donner ce, qu'il pouvait donner. Et euh, au final, on a réussi le coup. Et voilà. Les Lions vont donc disputer la finale du 4x400 mètres en espérant retrouver Chertian Diouf, entre autres, pour apporter de la fraîcheur, chercher la qualification aux Jeux Olympiques pour laquelle ces Lions sont extrêmement confiants. Une, deux, trois, Merci El Cherno euh, Dramé. Voilà, c'était tout euh, pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bonne. Assalamu alaikum. ¿A mí cuál es? ¿A mí cuál es? ¿A mí cuál es? Ah, mira, xanaa doole ma kii dafa génn kër gi de kii xanaa amul ban raison ja ami Kole ami Kole. ay ay waay ay waay ay waay. ay waay mooy lan. waa yuuxu yi lan la. mais ami Kole yow xanaa xamoo ci weeru koor lañ ne. ami Kole da ngay taxawal wër bi taal ko sax doo ko fan nga demoon. waa doo wàññi yoo yi. non ma wàññi yoo yi man dama wóor heure bi dama war a ñëw fekk ci kër gi ndox fan nga nekkoon. te yaa ma woo. pour voter ci élection 2024 il faut yaa ma ko waxoon wala waxoo ma maa ko waxoon. waaw moom laa jël jiwoon. dama laa gisul il faut ma laa tell li nga def nii kontaan naa ci jëli sa carte jar na ndogalu guddee. citoyen bu nekk nii nga war a def. ndogaloo de kon mi ngi noonu. def leen ni ami collé dem jëli seen carte d'électeur yéen sunu papa yi yéen sunu yaay yi yéen sunu rakk yi yéen sunu ku nekk xam ni Sénégal dafa war a fal njiitum réew bu bees ci mars 2024 bii kon yow mi nga xamante ni jëlee sa carte ci bépp bërëb bu fa teewee nguur gi waaye ba ci yenn dëkk yi mën nañu taxawal ay sous commission carte yi dinañ ko jébbal loxo ak loxo bépp aji wote bu bindu bees wala bu amaloon ay coppite ci bërëbu voteem ci kaw mu àndaale carte d'identité am biométrique bu CEDEAO ak récépissem bi mu bindoo bu fekkee récépissé bi mu bindoo dafa réer aji wote bi dafay siife benn déclaration ci ngor ci kanamu commission bi sama carte sama baat Présente-toi au bureau de vote muni de ta carte d'identité CDAO faisant office de carte d'électeur. Après avoir remis au président du bureau de vote la carte d'électeur, montre tes mains aux membres du bureau pour prouver que tu n'as pas encore voté. Dirige-toi vers la table où sont disposés les bulletins et les enveloppes de vote. Prends 5 bulletins au moins et une seule enveloppe entre obligatoirement dans l'isoloir. Fais ton choix en introduisant un seul bulletin dans l'enveloppe et veille à bien rabattre la languette de l'enveloppe sans la coller. Jette les autres bulletins dans la caisse poubelle prévue à cet effet. Sors de l'isoloir, dirige-toi vers l'urne et introduis-y l'enveloppe. Trempe ton doigt dans l'encre indélébile jusqu'à la première phalange. Signe sur les listes d'émargement. Si tu ne sais pas signer, porte ton doigt enroulé sur l'encreur à tampon en face de ton nom. Reprends ta carte d'électeur et sors du bureau de vote. Les électeurs ayant un handicap ne leur permettant pas d'accéder à leur bureau de vote sont autorisés à voter dans le bureau le plus accessible pour eux dans le lieu de vote où ils sont régulièrement